Mes chers enfants, l'arbre de Noël est un important moment de communion pour vous et une occasion pour nous parents de vous offrir des cadeaux. Pour cette année encore, je souhaite que vous en profitiez au maximum et que vous rentriez chez vous heureux avec d'agréables souvenirs. J'espère que vous ferez bon usage de ces cadeaux que vous allez recevoir. Et surtout, je souhaite que vous rendiez bien la monnaie à vos parents par d'excellents résultats scolaires qui leur feront oublier les sacrifices consentis. Vous devez aussi, chers enfants, suivre le modèle du professeur Moussa Balde, connu depuis toujours, depuis son village de Kolda à Dakar, pour son humilité, son intelligence et sa rigueur dans le travail. Cette cérémonie constitue pour nous, enfants des personnels du ministère, une opportunité de nous trouver avec nos chers parents pour fêter Noël et échanger des vœux à, l'heure du Nouvel An. Cette occasion présente ainsi pour nous un grand espoir. Monsieur le ministre, nos parents nous manquent durant toutes les journées, mais sachant qu'ils sont entre les mains du grand mathématicien que vous êtes et dans de bonnes conditions de travail, nous n'éprouvons aucune inquiétude. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous vous disons encore merci. Je vous exhorte à faire plus d'efforts et de persévérance dans vos études. En tout cas, ne vous donnez pas les objectifs de directeur ou de ministre maintenant. Donnez-vous des objectifs de très bon diplôme et vous serez l'avenir de l'humanité. Monsieur le ministre, nous nous engageons devant vous et devant les nôtres à fournir plus d'efforts dans nos études afin de mériter les énormes sacrifices que, nos parents et vous, gouvernement, faites pour notre plein épanouissement. Pour nous accompagner dans cet engagement pris devant l'auditoire, permettez-nous, vous qui accompagnez nos parents agriculteurs, d'attendre de, de, votre très haute solitude la promesse d'une colonie de vacances à organiser au terme de l'année scolaire 2020. Une colonie de vacances nous ouvrira d'autres horizons nous sortira du béton, du vacarme et du rythme effréné de Dakar et à coup sûr contribuera davantage à notre éducation et à notre formation. J'apprécie beaucoup toute l'importance que vous accordez au raffermissement des liens qui vous unissent. C'est pourquoi je m'engage au cours de l'année 2020 à étudier avec les services techniques compétents les modalités pratiques de la tenue et de l'organisation de la colonie de vacances du ministère pour répondre ainsi à votre désir et à votre passion de découvrir de nouveaux horizons. Par ma voix, les enfants du personnel du ministère vous disent merci infiniment. Ils vous expriment, à vous, chers marraines, chers parrains, chers papas et mamans chéris du Mayer, du Pédidas et de la CEDAP, et plus particulièrement à notre papa, le professeur Moussa Baldé. Leur vœu de bonne et heureuse année 2020. seen i baay ak seen i yaay liggéey ca ministère ba bu ñu liggéeyee ba at bi jeex ñu wane ni ñoom ñi ngi encouragé ñi liggéey ci ñoom moo war a ñu dajale yi jàng fa seen i nekk suba keneen di la jox ay kado pour encouragé leen yow kenn mosu laa jox kado ñii da leen di encouragé waaye kenn diisu leen yàqal bu ko yi nag taari baal mel nii bu leen ni ñoom. አግሜሪ ለምን አትስለኝ ዝናቢ ሙዞሪ ወካሚ kami ደም ከቱላ ከገለ አይለነቲ አይለነቲ አጅቢሎ dangay tëdd kaso day dëkk dinaa la may ñaari appel nga woo sa jabar pour mu jënd bool nga woo sa yaay ko mu jënd mu jënd la mat laa dégg nga dangay tëdd gis nga monsieur le président waaw wax jàmm may bugal neex jënduma élec jënduma gannaaw élec. waaw lii laa wax. président man jënduma tey. monsieur le président eh, monsieur le président. Eh, eh, monsieur le président. bàyyi leen ko bàyyi leen ko. non non monsieur le président. Fall Fall Fall bàyyi leen ko bi yegg si. dama ne.